haruna du groupement 2 je parle au nom de tout le groupement notre présidente est amina nous remercions l'aide que le groupement Zumunti nous a amenée. nous étions à la maison sans aucune activité génératrice de revenus. Mais maintenant, le groupement nous a montré comment transformer les produits du Niger en d'autres variétés. Nous les transformons et nous les mangeons nous-mêmes nous avons transformé plusieurs variétés. Nous avons transformé plusieurs variétés en